le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum 18h de 17 minutes, auditeurs et auditrices du studio Kalangou, les, programmes se poursuivent. Place à présent au forum du studio Kalangou que j'ai le plaisir de vous présenter. Au menu, l'alliance entre le MNSD Nassara et le Pendes Tarea. Décision prise ce week-end par l'ancien parti État, le MNSD. À suivre l'analyse du politologue professeur Issoufou Yahya dans ce forum. Et puis euh, également dans ce forum, nous aborderons cette question de l'affaire dite de bail de terre agricole de DIFA pour une société saoudienne. À suivre les points de vue divergents de l'acteur de la société civile Moussa Kangari et du président du conseil régional de DIFA. Et puis d'action de, de salubrité, il sera question. Vous suivrez le commissaire chargé du programme Nyame Nyala et un membre du groupe dénommé Nigérien Cyber Citoyen qui œuvre à rendre propre la ville et qui appelle à un changement de comportement. Bonsoir à tous. Retour sur ce changement en cours dans le paysage politique nigérien avec euh, le ralliement du MNSD Nassara à la mouvance présidentielle. Deuxième force politique de l'opposition après le moderne Falumana, le MNSD a pris sa décision. C'était suite à une concertation de la commission politique du parti, ensuite à d'une réunion du bureau politique, le tout clôturé par un vote. Quelle analyse faire de cette nouvelle alliance Quelles conséquences à ce sujet, le politologue professeur Issoufou Yahya répond à nos questions. Bonsoir, professeur Issoufou Yahya. Bonsoir, monsieur. Le MNSD Nassara, parti de l'opposition, vient de confirmer sa volonté de participer au gouvernement d'union nationale auquel nécessaire d'appeler le président Issoufou Mamadou. Êtes-vous surpris alors, euh, tout d'abord, euh, je pense que euh, c'est un peu un abus de dire gouvernement d'union nationale. Le quitte l'opposition pour rejoindre la majorité. C'est une reconfiguration politique qui est à venir. Maintenant, surpris, non, je ne suis pas surpris parce que, vous avez les alliances au Niger, il y en a eu tellement qu'une autre de plus, bon, c'est une alliance. Maintenant, jusqu'où ça peut tenir Quelles sont les intentions de ceux qui contractent ces alliances c'est peut-être le seul inconnu. Est-ce que les acteurs sont sincères dans euh, ces nouvelles démarches Et qu'est-ce que le Niger peut en gagner euh, à travers donc cette nouvelle reconfiguration Pourquoi vous dites que ce serait un, abus de langage de parler de gouvernement d'union nationale Ce serait un, abus de langage euh, parce que c'est une reconfiguration, une recomposition du paysage politique. Le MSD est un parti qui a agi conformément à la Constitution, à la charte des partis et au statut de l'opposition. N'importe quel parti peut quitter euh, un camp pour peu qu'il respecte euh, ses dispositions. Et visiblement, c'est ce que le MNSD a fait. Donc, il a quitté l'opposition pour regagner euh, la majorité présidentielle. Maintenant, à partir de là, parler d'union nationale, non. Euh, le, MSV n'est pas toute l'opposition, c'est une partie de l'opposition, au même titre qu'il en reste aujourd'hui euh, un certain nombre. Donc, à, vous entendre parler, c'est seulement quand toute l'opposition se retrouve au niveau de la, de, la mouvance présidentielle pour travailler ensemble qu'on peut parler de gouvernement d'union nationale. Voilà, on ne parlera de gouvernement d'union nationale quand tous les partis euh, qui sont représentés à l'Assemblée auraient fait bloc à raison d'une situation euh, particulière exceptionnelle. Donc, euh, quand il y a une situation exceptionnelle, euh, le jeu partisan normal s'interrompt pour qu'il y ait une réponse appropriée dans ce sens qui mettrait en harmonie tous les fils du pays, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, il y a une opposition qui existe, qui est représentée au Parlement, il faut la respecter puisqu'elle a un statut. Alors, on sait que le MNSD Nassara est un des partis quand même de l'opposition qui n'a pas reconnu l'élection présidentielle. Premier tour, il a même boycotté le second tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire si ces partis qui ne reconnaissaient pas hier euh, ces élections se retrouvent à, travailler avec euh, ceux-là qu'ils dénonçaient euh, vous savez, euh, la réelle politique, elle impose de faire des choix en fonction euh, des réalités du moment. le MSB n'est pas loin d'imploser et même disparaître des radars politiques au Niger. Il a pris, me semble-t-il, une, décision très difficile à prendre, étant entendu que les caisses sont vides. Le parti ne fait que dégringoler depuis quasiment 2009. Alors, est-ce qu'il doit continuer à chuter, à table de l'électorat Visiblement, euh, la réponse que euh, ceux qui sont du MNCD semblent avoir apportée, c'est qu'il faut euh, voir l'avenir. Et pour eux, l'avenir, c'est pour l'instant de s'allier avec le PNDS auquel ils pourraient apporter leur savoir-faire et peut-être contribuer pour eux au redressement du pays. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme leçon dans ces revirements fréquents des hommes politiques du Niger Bon, ça, vous avez le Niger est champion en matière de démocratie, d'alliance contre nature. C'est possible que ce soit une alliance solide. C'est possible que ce soit une alliance de plus si les acteurs ont euh, chacun un couteau dans le dos et que euh, cette alliance n'est qu'un euh, jeu de dupes ou un complot de plus pourrait intervenir. Maintenant, si les uns et les autres sont sincères, vont œuvrer dans l'avenir du pays, ça peut être une chance euh, pour le pays. Il faut aussi peut-être s'attendre à d'autres compositions. Pourquoi euh, l'Oumana demain n'accepterait-il pas de revenir euh, avec euh, ses anciens alliés Quel va être le comportement de l'ancien président de la République, M. Ousmane C'est un certain nombre d'interrogations, mais je pense que le MSD a aussi un rôle historique à jouer, étant entendu qu'il a quitté l'opposition avec beaucoup de considération, beaucoup de respect, en prenant ses responsabilités. Je pense qu'il a gardé des liens euh, amicaux, des liens euh, pacifiques avec l'opposition. Et que demain, il pourrait être tenté de jouer euh, un peu, pas l'équilibrisme, mais de servir vraiment à tempérer les ardeurs de radicaux des uns et des autres et à pacifier et humaniser les, relations politiques entre acteurs. Selon vous, ce changement qui vient d'avoir lieu, est-ce qu'il arrange le MNSD Nassara ou le PNDS à parti au pouvoir Alors d'abord, euh, il faut voir du côté du PNDS. Il y a une majorité écrasante au Parlement. A, priori, il n'avait pas besoin du MNSD pour diriger. Mais euh, la vingtaine de députés du, du MNSD apporterait au président de la République une majorité suffisamment qualifiée. Alors, est-ce que euh, cela ne cache pas des dessins Deuxième élément, au niveau du PNDS, euh, le parti probablement est euh, victime du chantage de beaucoup de petits satellites, de, petits partis qui sont là juste pour capter la rente. Est-ce que aujourd'hui, avec le ralliement du MLD, ces partis ne perdraient pas le prestige qu'ils avaient, ce qui est tout à fait vrai. Maintenant, le MLD n'avait plus de ressources. Il a été divisé par deux avec la création de l'Umana. Les 50% qui sont restés ont été aussi divisés en deux avec la naissance du Jamhouria. Alors donc, le parti va euh, euh, se mettre au service de ses nouveaux alliés, avoir quelques postes, euh, avoir quelques marchés et se constituer un nouveau trésor de guerre pour faire face aux échéances à venir, peut-être pour se refaire une santé d'ici cinq ans mais euh, me semble-t-il, cette alliance, a priori pour le MRTD, c'est qu'elle tue toute ambition politique majeure euh, de ce parti. Mais est-ce que le parti ne faisait pas justement, n'est pas en train justement de vouloir fuir euh, ces, risques, de voir encore une grande partie de ses cadres, en cas de refus de rejoindre le, le gouvernement d'union nationale, de de se casser encore, de se diviser encore Est-ce que le parti, en acceptant cela, voulait simplement éviter que certains cadres euh, puissent euh, quitter le parti et aller rejoindre le pouvoir en place Alors, ne parlez pas d'union nationale. Parlez de nouvelle alliance. Le MNSD a rejoint la majorité, ce qui est tout à fait son droit. Mais le MSD ne représente pas toute l'opposition. Il faut bien qu'on se comprenne. Est-ce il que... y a des raisons pour lesquelles il est parti, il les assume devant l'histoire. Est-ce que vous pensez que l'arrivée du MNSD sera dans le gouvernement d'Issoufou peut être de nature à rendre efficace la gouvernance actuelle Alors, qu'est-ce qui caractérise la gouvernance actuelle C'est l'impunité, ce sont les passe loi, c'est une sorte de corruption généralisée, c'est euh, toutes ces tares qui sont décriées par le quand il était à l'opposition. Qu'apporterait le MNSD D'abord, euh, vous savez, tous les partis, qui mettent chanteur là, vont se tenir tranquilles. Deuxième élément, le MNSD, me semble-t-il, vient appuyer la majorité euh, présidentielle sur la base d'un diagnostic partagé, sur la base euh, d'un programme où les priorités ont été définies et sur, me semble-t-il, le partage des responsabilités. À partir de là, quand on sait qu'on est euh, responsable face à l'histoire on est comptable de sa gestion, je pense que euh, les uns et les autres vont se conformer à l'orthodoxie financière. Le, problème, le Niger a des problèmes économiques, il a des problèmes financiers, il a des problèmes partout. Peut-être que les réductions du MNCD pourraient euh, aider à la stabilisation. Quelles autres conséquences peuvent résulter de cette alliance Une nouvelle, euh, a priori, une nouvelle opposition qui va se reconfigurer et la deuxième conséquence, c'est que le MNCD ne pourrait pas fermer les yeux devant euh, probablement euh, euh, le, rétrécissement de l'espace démocratique. Eh bien, je pense que le MNCD pourrait bien conseiller ses nouveaux alliés de faire attention sur ce terrain. On ne peut pas restreindre les libertés fondamentales. Tant que la Constitution a, a prévu, personne ne peut le confisquer à son poste. D'aucuns pensent que l'arrivée du MNSD dans le gouvernement euh, de la 7 de, dans le second gouvernement de la 7 République peut euh, provoquer le grincement de dents de beaucoup d'alliés de la, euh, au sein de la majorité. Euh, C'est pas surprenant. Quelqu'un qui n'a peut-être qu'un seul député qui a un ministre, demain, il peut ne pas avoir grand-chose parce que son député ne sert plus à grand-chose. Donc, de ce point de vue, le PNDS, ou du moins le président de la République, a fait un joli coup politique. Ça, c'est indéniable. Maintenant, tous ces partis politiques, peut-être, n'ont pas vu la conséquence ou les conséquences de leur, de leur ralliement actif, parce que les gens ne voulaient pas faire de l'opposition. Il fallait coûte que coûte fuir pour aller euh, du côté de la mangeoire. Aujourd'hui, peut-être que euh, demain, euh, ça ne peut plus où ça risque de ne pas payer et que demain les gens auraient à réfléchir plusieurs fois avant de euh, décider. Professeur Issoufou Yahya, je vous remercie. Vous venez de suivre l'analyse du professeur Issoufou Yahya, politologue et historien. Parlons à présent de ce projet qui, serait en cours de négociation. Il s'agit du projet agro-industriel Niger Rivers, la société El Horesh, qui est une société de droit saoudien qui serait dans le chemin d'aménager et mettre en valeur des milliers d'hectares de la région de Difa. Cette situation suscite des polémiques au Niger et dans la région de Difa en particulier. Deux points de vue euh, ce soir. Écoutons d'abord Moussa Changari, euh, secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen. Il est au micro de Ibrahim Gado Laurot. Monsieur Moussa Tchangari, pouvez-vous nous parler par rapport à la situation des terres mises en bail par le Niger au profit de l'Arabie Saoudite Ces terres ne sont pas encore mises en bail. Si vous voulez, c'est un projet. Il y a des discussions entre notamment le conseil régional de DIFA et des investisseurs saoudiens qui sont regroupés dans une société qui s'appelle Al-Horej. Donc ce n'est pas l'Arabie Saoudite, c'est une société donc ils sont en train de discuter, ils n'ont pas encore euh, signé à proprement parler un accord. Dites-nous, il s'agit réellement de quelle localité Bon, en fait, euh, c'est pas une euh, localité. Vous savez, la surface envisagée pour la mise en bail, ça fait 120 000 hectares de terre. Donc, c'est plusieurs localités, c'est pas une. Pour le moment, le terrain en question n'est pas encore clairement délimité. Et c'est du reste pour ça que je pense que euh, le gouvernement a, semble-t-il, fait en sorte que euh, les discussions traînent encore un peu. Mais en fait, euh, c'est un vaste espace qui va concerner plusieurs euh, localités. Ça sera dans le bassin du lac Tchad, dans le lit du lac Tchad et puis autour de la Komadougou. C'est plus ou moins ce que le dossier du projet décrit. Donc, on ne peut pas dire c'est telle, telle, telle localité, mais c'est sûr, ça va concerner plusieurs localités. Et l'espace est très vaste, 120 000 hectares, c'est énorme. Je ne sais pas si vous pouvez vous faire une idée, mais c'est énorme et <clears throat> les investisseurs saoudiens, effectivement, veulent, tiennent à ça. Le conseil régional, en tout cas, si on se fie euh, au propos de son, de son président, veut bien, même si on sait qu'il y a quand même d'autres membres qui ne sont pas très informés d'ailleurs sur euh, ce qui est en train de se passer. Dans quel but ah, Le but, euh, les gens veulent se faire de l'argent. Commencer d'abord par les, les, Saoudiens. Eux, ils veulent se faire euh, de l'argent parce que bon, ils vont avoir 120 000 hectares. Ça leur permet de faire un placement sûr parce que la terre, c'est maintenant un déplacement le plus sûr. De l'autre côté, bon, ça leur permet aussi de comment dirais-je, euh, régler certains problèmes de, du royaume même. Vous savez, l'Arabie saoudite n'a pas beaucoup de terres euh, cultivables. Donc si arrivent à avoir des terres un peu partout dans le monde, hein, ils achètent ou ils louent des terres sur, dans d'autres pays, ça leur permet aussi de garantir un peu l'approvisionnement euh, du pays en produits alimentaires. Mais c'est fait surtout pour le marché. En fait, voilà, donc c'est eux, ils veulent gagner. Maintenant, ceux qui soutiennent euh, cette euh, idée folle ici. Évidemment, ils ne le font pas euh, pour le bien des populations, parce que si c'est pour le bien des populations, on sait très bien que ce n'est pas ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il y a lieu de faire, c'est vraiment appuyer la petite production hein, familiale, l'agriculture familiale. C'est elle qui nourrit les gens, c'est elle qui a vocation à nourrir les gens. Bon, mais c'est pas ça que les gens font. S'ils le font, sans doute c'est parce qu'ils espèrent euh, eux aussi gagner quelque chose. Et voilà, donc malheureusement, si on prend euh, que ce soit l'État du Niger, que ce soit le conseil régional euh, de Tifa, la région même, que ce soit les populations, là, personne ne gagne véritablement grand-chose. D'abord, le conseil régional, bon, à la limite, ce qu'il espère, c'est 500 millions de francs CFA de redevances pour la location de 50 000 hectares. Ça, c'est ce qu'ils espèrent j'espère, pendant les premières années. Et il faut attendre 6-7 euh, ans pour que cette redevance puisse atteindre 1 milliard de francs CFA. Bon, évidemment, 1 milliard, c'est rien du tout par rapport au problème qu'il y a, tout ça. Pour 50 000 hectares, tu n'as que ça. Maintenant, l'État du Niger, lui, ne gagne pratiquement rien du tout. Au contraire, il va même devoir faire des exonérations énormes à la société saoudienne. Et le montant des exonérations envisagées, c'est à peu près 150 milliards de francs CFA euh, d'exonération. Même avec l'argent des exonérations, c'est-à-dire l'argent auquel l'État va renoncer, normalement on devrait pouvoir faire euh, un bon soutien aux petits producteurs pour produire suffisamment de nourriture les populations n'ont rien à gagner parce que ce sont leurs terres qui vont leur être pratiquement arrachées et qui vont être données à une société qui va produire pour le marché et qui va produire donc euh, aussi un peu pour l'approvisionnement de l'Arabie saoudite et tout ça. Donc en fait, les paysans en tant que tels n'auront pratiquement pas grand-chose à gagner, presque rien du tout. Bien sûr, on parle de 10 000 emplois qui seront, qui seront créés, mais euh, c'est aussi quelque part euh, c'est ça, c'est les emplois d'ouvriers agricoles, quoi. Mais de l'autre côté, ça va impacter les activités que les gens font, à savoir donc euh, l'élevage, qui est une des activités phares de la région. Donc les gens vont manquer d'espace pour faire, c'est leur espace qui sera réduit. Il y a aussi des gens qui vont perdre leurs champs, etc. Donc voilà, au fond, c'est un projet fou. C'est pour ça que nous avons nous clairement demandé à ce que le gouvernement, au lieu de dire il faut sursoir, il doit faire arrêter tout simplement ce processus-là de discussion. Parce que si euh, on laisse la possibilité à des grandes compagnies de venir euh, acheter ou louer des terres euh, chez nous, eh bien, ça sera fini de la petite production familiale, et l'agro-industrie qui va s'installer et ce serait quand même une perspective plutôt sombre. Vous venez euh, de côté donc euh, Moussa Changari, acteur de la société civile. Suivons à présent le président du conseil régional de DIFA, Mayrou Malan Ligari. Les partenaires de Niger Rivers, qu'ils appellent fleuve du Niger, parce que c'est ça le nom de la société, c'est Niger Rivers, qui est en fait une sorte de succursale de la société al houresh Donc al houresh qui a voulu intervenir au Niger, a créé la société Niger Rivers, qui est également donc un représentant qui doit désormais développer cette activité au Niger. Bon, il y a bien des régions qui ont voulu que Niger Rivers intervienne. C'est pas aujourd'hui qu'ils étaient au Niger. Il y a la question de l'Iraser également. Il y a aussi la question autour du fleuve Niger. Mais malheureusement, chemin faisant, les autres régions n'ont pas pu, n'est-ce pas, avoir un accord, n'ont pas pu trouver une démarche idéale pour permettre à cette société effectivement d'aller en partenariat avec une région ou l'État dans un secteur bien précis et il a fallu, avec la région de Difa, quand on a déjà délibéré, et nous, on a une vision claire de ce que nous voulons. Et partant, eux aussi, ils ont vu que ce dossier les intéresse et ils ont préféré aller sur la région de Difa. Sinon, après Difa, même l'Irazer était venu les voir. Le président de la région d'Agadez, Mohamed Anakou, était avec moi. S'il m'écoute, il était avec moi. Il voulait également qu'ils interviennent sur l'Irazer, mais ils ont dit non. Ils vont d'abord intervenir sur Difa, puisqu'ils ont donné leur engagement pour la région de Difa. Et ensuite, ils verront s'ils pourront intervenir sur l'Irazer. Alors, nous avons travaillé ensemble avec la société. Dans un premier temps, comme de nos habitudes, il faut d'abord que la collectivité, au niveau de son assemblée régionale, qu'elle se prononce sur ces questions. Nous avons suivi toutes les étapes. L'assemblée régionale s'est prononcée sur d'abord la recevabilité de l'offre ou du moins de la demande de Niger Rivers de rentrer en relation avec la région de Difa pour ce projet. Pourquoi la région de Difa Oui, je vous explique. Parce que vous savez, c'est une question aussi de dynamisme de notre collectivité. Quand elle a délibéré pour un pôle agricole, il n'y a pas de collectivité qui a délibéré pour ça, je vous avoue. Et ce n'est pas se jeter des fleurs, mais le Conseil régional de DIFA a eu ce dynamisme et a fait un appel pour que des partenaires ou des consultants ou des bureaux d'études puissent rentrer en relation avec la région de DIFA pour développer un certain nombre de secteurs. Il y a l'agro-industrie, il y a le tourisme, il y a l'hôtellerie, il y a tout ça. Là, nous avons fait toutes ces délibérations et nous avons eu des partenaires qui ont répondu favorablement mais avec la situation d'insécurité, certains des partenaires ne sont pas revenus. Ils attendent toujours que ça se, ça se prononce. Donc, le choix de la région de Difa, nous avons préparé les bases légales, les dispositions légales qui peuvent permettre à un partenaire de venir discuter avec nous. C'est ça l'avantage. Et deuxièmement, donc, comme je vous disais, après avoir délibéré au niveau de la région de Difa, nous avons proposé d'aller faire une session thématique sur le terrain. Avec qui Vous savez, dans l'Assemblée régionale, il y a la chefferie coutumière et le Conseil régional. Donc, les élus, nous sommes partis sur le terrain pour rencontrer la population pour rencontrer également les chefs de village, etc. et leur expliquer le projet. Ils ont été très réceptifs, ils nous ont écoutés parce que ce que nous sommes allés faire, c'est pour eux. Monsieur le Président, est-ce que c'est vrai, c'est les 120 hectares qui ont été dit Voilà, je vous explique. Que contient le projet Le projet de Niger River sur l'agro-industrie à Difa comprend d'abord un projet sur 50 000 hectares dans la première phase des 10 premières années. Alors, ces 50 000 hectares seront aménagés avec des équipements modernes et je précise, ces 50 000 hectares concernent effectivement le bassin du lac Tchad. Quand on regarde dans les zones qui sont pratiquement pas habité, où il y a quelques hameaux. Nous sommes très pointus là-dessus, nous regardons. Et qu'est-ce qui va se passer Quand nous allons aménager ces terres, les 50 000 hectares, les gens qui ont des terres cultivables, contrairement à ce que disent les autres, ils seront renforcés. Et nous avons pris des dispositions pour que le ne concurrence pas la production locale. Donc, que ne fasse pas des poivrons, par exemple, qui reconnaît Adifa. Mais au contraire, on leur a exigé, justement, de créer une valeur ajoutée à ce produit pour que ça soit transformé localement. Donc, accroître la capacité du producteur pour lui faire produire plus avec peu de moyens et également racheter le produit pour que ça soit dans des conserves made in DIFA. C'est ça notre objectif. Et les quelques hameaux qui peuvent s'y trouver dans la zone seront relocalisés et construits en dur. Vous avez l'exemple tout récemment avec le barail de Kandaji. Et comme dans le monde entier, quand il y a un projet comme ça d'intérêt général, ça va susciter le déplacement des villages. Quand il y a un projet d'intérêt général, il y a quelques hameaux qui peuvent être déplacés. Nous apportons la richesse malheureusement. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Nous apportons la richesse pour que cette population ne soit plus pauvre de ses potentialités. Parce qu'aujourd'hui, elle est pauvre de ses potentialités, qu'elle n'exploite pas. Mais elle verra, ça va être un Eldorado, même pas la région de Difa, même tous les Nigériens iront travailler là-bas pour ça. Alors, il y aura, comme je vous avais dit, un aménagement de 50 000 hectares. Les gens qui ont leurs terres seront bien identifiés, leurs terrains seront bien aménagés, ils seront renforcés par rapport à leur production. Deuxièmement, la région aura 15% d'actions dans le capital de al khouresh S'il vous plaît, on a négocié 15% d'actions sur le capital de al khouresh qui sera un capital pour la région de Difa. Imaginez seulement qu'il y a 100 milliards de bénéfices par an ça veut dire que la région de Difa aura 15 milliards. Mais pour les gens qui veulent nous porter le bébé dans le dos, ils racontent n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas ce que nous on a fait. Deuxièmement, Al-Houresh, dans ses habitudes comme elle est de l'Arabie Saoudite, ils ont un système de zakat de 10% de la production. Les 10% de la production seront également remis à la fin de chaque année à la région de Difa et au Niger tout entier parce que n'oubliez pas, quand il y a eu l'uranium à Gadez, tout le Niger en a profité. Donc aujourd'hui, quand il y aura l'agriculture au Niger, c'est tout le Niger aussi qui va profiter. Donc cette zakat est effectivement, le moment venu, la région, en partenariat également avec les autres régions du Niger, verront une clé pour que tous les Nigériens en profitent de cette zakat. Donc, si vous voyez, ça fait environ 25% de plus que nous allons avoir par rapport, effectivement, à la production et puis, il y aura plus de 10 000 emplois qui seront créés, dont un millier d'ingénieurs et de techniciens. Ce que même le pétrole n'a pas donné, c'est ce que les gens oublient. Moi, je ne crois pas au pétrole, mais je crois à l'agriculture. Si les États-Unis sont devant aujourd'hui, c'est à cause de l'agriculture. Si on met ce projet en place, le Nigérien va nourrir le Nigérien. Et que DIFA sera exportateur et il y aura de la spéculation. Vous savez sur quoi Nous allons exporter de la viande, nous allons exporter du lait en boîte et en sachet nous allons exporter des dates, nous allons exporter des maïs transformés sur plusieurs formes, le riz, le blé, on va faire du maca, on va faire n'importe quoi. Il y aura du sucre. La production du sucre qui est prévue à DIFA dépasse la consommation nationale. Donc le Niger, au lieu d'importer du sucre, il va peut-être exporter du sucre. Vous venez d'écouter Mayrou Malan Legari. Il est le président du conseil régional de DIFA. Il s'exprimait relativement à cette affaire de bail de terre dans la région de DIFA pour la société saoudienne Niger Rivers. Débarrasser Niamey des déchets de tout genre afin qu'elle soit propre et coquette, une affaire de tous. En la matière, le projet Niamey Niala ou Niamey la coquette est un programme pour l'embellissement et la modernisation de la capitale, compte, compte vrai. Pour redynamiser ce programme, le commissariat au programme niamey a mis en place un plan d'urgence pour la ville le 28 juillet dernier. Plusieurs activités comme celle de ramassage d'ordures dans les arrondissements communaux Niamey 1 et 5 ont déjà été lancées dans le cadre de ce plan d'urgence. Le commissaire à l'aménagement de la ville de Niamey, Mahmoudou Mouktar, explique tout récemment, un plan d'urgence a été euh, mis en place euh, pour la ville de Niamey dans le cadre de euh, la salubrité, dans le cadre aussi du projet Niamey-Niala. Où en êtes-vous avec les actions menées jusqu'à là Très bien. Depuis le, 28 juillet, nous avons mis en place un plan d'action dont le démarrage était sur le site de la Sonici. Depuis le démarrage, nous avons réalisé, nous avons en tout cas atteint plusieurs objectifs, dont, entre autres, euh, l'adhésion des, populations euh, à notre plan d'urgence. Euh, pourquoi on a eu très rapidement l'adhésion Parce que nous avons, dans le plan d'urgence, attaqué très rapidement les premières préoccupations des populations. Nous avons identifié des sites très préoccupants qui empêchent aux populations de vivre de façon sereine, je dirais aussi de façon agréable. C'est que nous avons fait de la commune 1, euh, de la commune 5, euh, nous avons euh, enlevé les ordures à plusieurs endroits. Actuellement, nous sommes à Gamkale où nous sommes en train de, ramasser des, des, gros tas d'ordures. Les populations sont très enthousiastes par rapport à cette opération. Expliquez-nous exactement de quoi il s'agit, à quoi consiste ce plan d'urgence, parce que là, vous parlez de ramasser les ordures. Est-ce qu'il s'agit simplement de les ramasser ou euh, qu'est-ce qu'il y a véritablement dans ce plan d'urgence Le plan d'urgence principalement consiste à répondre à une préoccupation du président de la République. Euh, cette préoccupation est la suivante. Il s'agit pour nous de mettre en place euh, une gestion durable des, déchets. Il y a plusieurs solutions qui ont été tentées dans la gestion des, déchets, mais toutes ces démarches ont échoué. il fallait aujourd'hui se poser et réfléchir trouver une solution durable. Du coup, notre plan d'urgence dans la dans l'approche consiste dans un premier temps à enlever cet état d'ordure pour soulager les populations, mais dans le court terme, il s'agit de mettre en place une gestion des déchets qui va prendre en charge toute la filière, des ménages jusqu'à jusqu'à la décharge, en mobilisant les différents acteurs au niveau des différents maillons, c'est-à-dire au niveau des ménages, nous avons des acteurs, au niveau euh, des dépôts des déchets, nous avons des acteurs, au niveau de la décharge. Il fallait donc mobiliser euh, tous ces acteurs-là, travailler avec ces acteurs pour prendre en charge de long en large vraiment cette filière euh, des déchets. Nous avons euh, tous les endroits où nous évacuons ces, ces déchets. Nous sommes en concertation avec la population pour trouver un aménagement adapté. Il est bien beau de dégager les déchets, mais il faut trouver des endroits pour que où les populations vont déposer ces déchets. Donc nous prévoyons d'aménager ces endroits pour que euh, les déchets soient récupérés, mais cette fois-ci de manière organisée, de manière responsable, où tous les acteurs seront réunis et chaque acteur aura sa part de responsabilité dans cette gestion des déchets. Principalement au niveau de ces acteurs, il faut définir qu'il y a les populations, il y a la commune, il y a Nyala. Chacun apportera du sien pour prendre en charge la gestion des déchets. Et nous sommes certains que sous tous ces acteurs sont mobilisés et autour de la gestion des déchets, il n'y a aucune raison que nous ne parvenons pas à, gérer cette situation. Vous parlez de sites. Est-ce que ces sites sont déjà localisés Si ils sont localisés, où sont, euh, quels sont ces sites-là Très bien. Euh, ces sites sont partiellement euh, localisés. Avant de faire euh, le plan d'urgence, nous avons pris contact avec les maires d'arrondissement et leur équipe et nous avons parcouru toute la ville de Niamey par arrondissement avec les responsables de ces arrondissements pour voir de visu les problèmes, les sites et discuter avec eux les sites qu'on peut aménager pour faire des dépôts transitoires de, de, de dépôts de déchets. Donc certains sites sont repérés, d'autres sites sont en voie de repérage. Parce qu'il faut reconnaître un des problèmes de la ville de Niamey, c'est que euh, tous les terrains ont été, ont été vendus. Donc, euh, des sites disponibles, on n'en a pas assez. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec les villes de retrouver des sites complémentaires, ne serait-ce que à faire vraiment euh, acheter des terrains pour cela. Nous sommes en discussion. Et il y en a certains sites que nous allons discuter avec, par exemple, le ministère de la Santé. Donc, parce qu'il y a des centres de santé qui disposent d'espaces assez large et nous allons voir avec d'autres ministères comment mobiliser des sites pour vraiment accueillir les déchets. Mais je dis cette fois-ci vraiment de manière organisée, avec une prise en charge totale, avec un personnel euh, qui sera euh, présent de manière constante sur le terrain. Parce qu'il est sûr et certain que si ces sites sont aménagés et qu'il n'y a pas une présence humaine, nous serons confrontés toujours à ce problème de prolifération des déchets dans la ville. Alors, vous-même tout à l'heure avez évoqué le fait que ce problème avait eu plusieurs initiatives qui ont donc échoué Aujourd'hui, le plan d'urgence s'étend sur six mois. Avec tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que vous disposez d'assez de temps pour aller à, bout de, ce programme Quand on fait le tour de la ville, le problème, il est grand, il est, il majeur. Vouloir absorber ce problème en un laps de temps, euh, c'est d'abord se mentir et je pense que c'est aussi se tromper. Aujourd'hui, la gestion des déchets de la ville de Niamey n'est pas euh, une course de vitesse, c'est vraiment une course de fond. C'est-à-dire qu'on ne, on ne saura absorber, résoudre cette situation que sur un temps, euh, euh, sur un temps relativement long. Mais ce plan d'action d'urgence est calé sur six mois, je dirais même cinq mois. Et ces cinq mois servent vraiment à la mise en place de ce système de gestion durable. Et je viens d'expliquer, le système de gestion durable consiste vraiment à maîtriser toute la filière, à identifier tous les acteurs au niveau des différents maillots de la filière des déchets, à les organiser, à former, informer, organiser ces acteurs pour que chacun prenne en charge la situation. Je pense qu'en cinq mois, si on arrive à mettre en place ce système, c'est déjà un grand pas. Maintenant, la mise en œuvre se poursuit euh, de façon normale et je pense que le résultat viendra au fur et à mesure. Mais dire qu'aujourd'hui, en cinq mois, on va résoudre ce problème, euh, euh, c'est d'abord mentir à la population. Ce problème euh, euh, date, de très longtemps, hein, j'allais dire. Est-ce que dans ce plan d'urgence, vous avez réservé une place pour la sensibilisation, pour le changement de mentalité, pour atteindre vos objectifs ah, absolument. Euh, le changement de mentalité, et ça va être le début, ça va être la suite, ça va être aussi à la, fin. C'est-à-dire que euh, la question de sensibilisation, de formation, euh, d'information, nous l'avons entamée, nous allons la poursuivre et tout au long du processus, je pense que c'est indispensable. C'est indispensable dans le sens où, déjà dans un premier temps, il faut que tout le monde comprenne qu'au niveau de la gestion des déchets, il faut un changement changement de paradigme. Il faut que le regard qu'on a envers les déchets, il faut que ça change à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau des autorités, au niveau des collectivités, au niveau des populations. Il faut que nous arrivons à changer ce regard. Qu'est-ce que je veux dire par changer ce regard C'est qu'aujourd'hui, ce que nous appelons déchets n'est pas nécessairement déchets. Quand vous observez l'état de déchets de la ville de Niamey, vous trouvez plein de choses récupérables. Les plastiques, le sable qui peut servir euh, dans les champs, euh, il y a plein d'objets. Et quand vous faites au finish, c'est que la population, la ville de Niamey n'en a pas besoin, c'est une infime partie de cet état de déchets. C'est cette euh, façon de voir que nous allons euh, instaurer, que nous allons essayer de faire comprendre aux uns et des autres pour que, à la fin, on se rende compte en réalité, tous ces déchets ne sont pas véritablement des déchets. Donner l'occasion à ce que nous appelons déchets « démi euh, de leur donner une seconde vie c'est ce qu'on appelle techniquement l'économie circulaire. Nous allons mettre en place ça, cette économie circulaire. Ça va nous permettre deux choses. La première chose, ça va nous permettre de créer des emplois. Ça, c'est une préoccupation du président de la République. Créer de l'emploi dans la gestion des déchets. Deuxième chose, ça va nous permettre de faire des économies. Aujourd'hui, les déchets coûtent énormément à la ville de Niamey. Pourquoi Parce que la ville de Niamey se met à transporter tous ces déchets hors de la ville. Alors, ce n'est pas nécessairement tout qu'il fallait transporter. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un système qui va nous permettre de faire une économie dans le transport de déchets parce que désormais, on aura une petite quantité à transporter. Et cette économie de déchets euh, qu'on va faire sur le transport de déchets, c'est ça qu'on va réutiliser pour soutenir euh, l'économie circulaire, la création de l'emploi, la formation des jeunes. Au fait, euh, un tour au niveau euh, des déchets de la ville, vous allez trouver des jeunes gens qui, qui, qui, s'activent à, faire du tri, qui s'activent aussi à ramasser ces déchets, ne serait-ce que de façon informelle au niveau des ménages et les transporter au niveau des déchets de manière vraiment euh, désordonnée. Nous allons organiser tous ces systèmes-là, nous allons récupérer tous ces jeunes-là, les former, les organiser pour que eux ils puissent s'en sortir dans leur métier, mais pour que la ville de Niamey aussi s'en sorte dans la gestion des déchets. Vous venez d'écouter Mahmoud Mokhtar, le commissaire à l'aménagement de la ville de Niamey. Il répondait aux questions de Mariama Diallo. Et puis euh, parlons à présent de ce groupe euh, dénommé Niger Cyber, Citoyen, Nigérien Cyber Citoyen, un groupe engagé dans les actions citoyennes et présent sur les réseaux sociaux qui avait bien avant la mise en place de ce plan d'urgence entamé plusieurs actions de salubrité au niveau de la ville de Niamey et, entame également des actions de prise de conscience des citoyens, mais aussi afin d'interpeller les autorités sur cette question. Écoutons l'un des membres actifs du groupe euh, Niger, Nigérien Cyber Citoyen, il s'appelle Dadi Rabi Omarou. C'est un groupe qui est très atypique. L'idée de coller cyber dans la dénomination du groupe n'est pas fortuite. Au départ, c'était un groupe d'amis sur les, plateformes sociales, donc pas forcément toujours des gens qui se connaissaient physiquement. Il n'y a pas mis dans le groupe énormément de personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux, donc qui sont déjà des activistes, très reconnus pour certains, d'autres moins. En tout cas, il y avait une, déjà une très forte interaction sur les réseaux sociaux pour beaucoup de membres du groupe. Donc l'idée finalement de la création du groupe est partie comme cela, d'une présence très forte de certains membres sur les réseaux sociaux, et surtout de la prise de conscience par beaucoup de membres de la capacité qu'ont toutes ces plateformes-là à être un facteur ou un support de changement euh, positif. Vous êtes au nombre de combien Alors c'est ça aussi qui est, qui est, très intéressant à voir. Si on doit considérer que tous les membres du groupe, c'est tous ceux qui ont choisi adhérer au groupe tel qu'il est sur les réseaux sociaux. Je pourrais vous dire, par exemple, que sur, euh, sur Facebook, euh, le nombre d'adhérents ou de followers qu'on a dépasse les 4000. Est-ce que c'est ça qui fait le nombre de personnes qu'on a dans le groupe Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un noyau dur d'une vingtaine de personnes qui se réunissent régulièrement, qui réfléchissent, qui essaient, à travers différentes modérations, euh, de marquer une orientation et d'encadrer l'action et la réflexion du groupe. Et quand est-ce que vous avez eu vos premières actions Les premières actions datent de quelques semaines je ne sais pas si vous vous rappelez de l'action qu'il y a eu euh, autour du palais de justice et puis celle qui a précédé euh, la fête de, Ramadan euh, au marché Djamadi et une plus récente. Donc toute l'action du groupe, ça fait plusieurs semaines qu'elle a commencé. La réflexion, elle a duré plus longtemps avant qu'il y ait de l'action. Des gens se sont réunis et ont partagé ces idées-là. Et dites-nous comment est-ce que vous procédez Comme je l'ai dit, l'identité du groupe elle-même euh, pose une empreinte spéciale sur la façon dont le groupe agit. Donc il y a énormément de réflexions, parfois sur les réseaux sociaux, parfois des réunions physiques, et souvent aussi euh, basées sur les donations que font les citoyens sur les plateformes du groupe. Il arrive que nous marquons une véritable urgence à agir euh, sur un site précis. C'est une urgence parce que parfois comme pour le marché de, de c'est un endroit où se vendent des produits de grande consommation. C'était la veille d'une fête et il y avait un gros problème en termes d'évacuation des ordures et c'est parti très vite, de façon extrêmement spontanée. Les membres du groupe ont échangé, rendez-vous a été pris, les moyens ont été mobilisés et les ordures ont été évacuées. Parfois, il y a de l'action beaucoup plus réfléchie, moins spontanée, qui est organisée et qui permet de, d'interagir avec d'autres acteurs, de mobiliser d'autres acteurs pour pouvoir avoir un impact plus durable. Est-ce que ça veut dire que, que toutes ces actions sont autour de la salubrité En priorité, c'est des actions citoyennes. Et nous pensons que la salubrité est un des phénomènes qui, aujourd'hui, est un véritable scandale dans cette ville-là. Nous voyons de plus en plus que dans la ville de Niamey et probablement ailleurs au Niger, les gens s'habituent à vivre, à cohabiter avec les ordures. Que vont devenir nos enfants si nous avons éduqué à habiter à, vivre, à accepter les auteurs. Donc pour nous, c'est un problème primordial parce que d'une part, il engage le comportement du citoyen, ses propres responsabilités, mais c'est aussi un problème de citoyenneté parce que les autorités, les pouvoirs publics ont un devoir de redevabilité par rapport aux usagers. Donc pour nous, c'est là un modèle où on peut expérimenter comment une action citoyenne basée sur des nouveaux outils comme les réseaux sociaux et d'autres plus traditionnels, comment ce type d'action peut être un facteur de changement, comment est-ce qu'on peut arriver à faire bouger des lignes. Après, ça ne pas dire que ce n'est que ça la problématique qui nous intéresse. Il y a d'autres problématiques périphériques sur lesquelles nous donnons la liberté d'agir et de mobiliser. Exemple. Ça peut être par exemple la sécurité routière, ça peut être par exemple la protection de l'enfant, ça peut être aussi des questions d'éducation. Il y a énormément, je pense, de sujets aujourd'hui au Niger qui nous interpellent tous en tant que citoyens. Vous venez de parler des autorités. Euh, est-ce que ça veut dire que vous avez peut-être à approcher ces autorités avant de mener ces actions ou bien vous, vous travaillez peut-être en collaboration avec ces autorités Parmi nous, il y a énormément de gens qui sont des activistes et je je pense que depuis longtemps, la première action faite auprès des autorités, c'était la dénonciation. dénoncer quelque chose qui marche pas. C'est déjà un premier pas pour un dialogue avec les autorités. Après, si on veut avoir de l'impact, la dénonciation ne suffit pas. Nous faisons de l'action parce que pour nous, être là, faire de l'action, faire le job parfois des autorités, c'est aussi leur rappeler leur propre responsabilité. Donc ça, c'est le deuxième palais de dialogue. Et maintenant, après, une fois qu'on a cette possibilité-là, comme ça a été le cas à Sounussi, nous avons eu des autorités qui ont quand même eu le courage de venir sur place et d'engager un débat citoyen avec nous. Et là, on a une, véritable occasion là de discuter avec eux, de partager nos idées, de leur, leur rappeler leurs responsabilités. Il n'est pas imaginable que d'un problème aussi colossal que celui de l'insalubrité puisse être réglé par des actions aussi modestes soient-elles que celles de notre groupe. Il est absolument primordial que nous ayons une interaction forte avec les pouvoirs publics, avec tous les acteurs qui sont en charge de cette problématique, parce que ce ne sont pas que les pouvoirs publics, il y a les communautés, il y a les citoyens, il y a les groupes organisés, il y a d'autres euh, acteurs dans la communauté, des associations, il y a vous, les médias aussi. Justement, par rapport donc à ces actions euh, communes, euh, a été mis en place un plan d'urgence euh, pour Niamey-Niala. Que pensez-vous de ce plan d'urgence On aimerait surtout voir de l'action. les plans, les, projets existent depuis très longtemps. vous serez étonné de voir que la problématique de l'insalubrité au Niger, à Niamey en particulier, a été réglée depuis longtemps. Dadi Rabi Oumarou, membre actif du groupe nigérien Cyber Citoyen, il était interrogé par Diallo Kenda. Et sur ce prend fin le forum de ce soir. Rendez-vous demain à 18h15 pour une autre édition. Bonne soirée.